Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, surtout Salafada, Ahmed Gissa s'exprime. Vous, vous rappelez certainement de l'artiste, peintre, dessinateur, portraitiste. Il était sur l'émission Franco Aoussa hier avec la Miss Rim. On a parlé du parcours du combattant. Et à travers justement cette émission, il nous a dit qu'il a commencé ce tard à bas âge. Aujourd'hui, il est artiste peintre confirmé. Il fait la fierté de tout le Niger aujourd'hui. Il a lancé un appel hier elle n'appelle pour que vous puissiez l'accompagner parce que faire du dessin au Niger n'est pas du tout chose facile. Il faut du matériel et du matériel qu'on n'en trouve pas ici. Parce que ici, surtout Salafada, nous faisons la promotion de l'artiste, nous lui donnons une visibilité. Il est jeune et nous nous croyons aux jeunes. Aujourd'hui, nous allons parler de ses œuvres sur l'émission. Ahmed Guissa, la machine te souhaite la bienvenue. Comment tu vas Ça va bien. Tu pètes la forme Ça va Ça va. Toujours en forme Oui. On était ensemble hier, on avait parlé un peu de comment est-ce que tu as débuté la chose, de quand est-ce que tu as commencé, de tout ce qui va avec. Aujourd'hui, on va parler de tes œuvres. On va parler des portraits déjà des personnes influentes que tu nous as déjà présentées à travers les réseaux sociaux. Et nous allons défiler one by one. Ok, d'accord. Ton premier dessin, c'était déjà en quelle année tu disais Je me souviens quand j'ai publié mes premiers dessins, c'était euh, en 2019. 2019, ta première publication Oui, j'ai créé une page Facebook en juillet 2019, c'est qui m'a Oui. Ok. Euh, c'est en ce moment-là que je me suis reconnu euh, au public. Ok. C'est un peu récent 2019. Oui. Tu te rappelles du premier portrait que tu as posté sur les réseaux sociaux C'était le portrait d'une de mon grand frère. Ok. Euh, je l'ai publié sur mon statut WhatsApp et en fait, j'ai fait ça banalement. Je ne savais pas que je l'ai reçu ou pas. Ok. Et les gens ont commencé à commenter que ils ont beaucoup apprécié, ils m'ont encouragé vraiment. Tout en ne connaissant même pas vraiment, ton grand frère. Vraiment chill. Non, j'ai posté une photo. Une photo de lui. Ok. Euh, les gens qui ne le connaissent même pas regardent la photo, ils disent euh, vraiment tu l'as réussi, tu as bien tapé. Et on ne t'a pas posé ce certain nombre de questions. Est-ce que tu l'as dessiné, est-ce que tu l'as décalqué, est-ce que tu l'as copié, est-ce que tu, l'as, euh, as utilisé une application On ne t'a pas posé ce genre de questions Si, si, beaucoup de gens croient que ce n'est pas réel. Ah, donc c'est réel, le dessin, tu le fais avec la main sans passer par l'application oui, Je le fais à main levée, ce que beaucoup de gens ne croient pas. Il faut que vous, la personne me regarde en dessinant, qu'il croit. non, non, bien sûr, nous, on t'a vu déjà dessiner. Et le fait de faire ce que tu fais sur le tableau noir, déjà, ça prouve que ben, c'est pas, tu ne peux pas décalquer sur le tableau noir. <laughs> Donc du coup, ça, ça, ça prouve tout, je pense bien. Alors, tu te rappelles de la première personnalité publique que tu as postée oui. connu de tout le monde. Oui. C'est qui C'est le portrait du président Issoufou Mamadou. C'est le président, euh, la photo du président Oui, j'ai fait son portrait et il y a même... Tu t'es à côté de lui, c'est ça Oui, c'est ça. Donc du coup, ça ne peut pas... Tu t'es imaginé à côté de lui, mais c'était une photo bah, réelle que tu as rendue publique C'était un rêve pour moi. Ok, d'être à côté de lui. Oui, et je l'ai dessiné. Euh, et, comme ça. Et les gens ont beaucoup apprécié les travaux que Mais dis-moi, tu as rencontré le président, est-ce qu'il sait déjà, il a vu au moins son dessin ou pas encore Peut-être qu'à travers cette émission, le message va passer. Moi, je... Le message va passer. Alors, et quel serait ton mot Parce que ton rêve, c'est d'être aux côtés du président. Tu l'as dessiné et fait une photo peut-être avec lui. Alors, est-ce que tu, peux lui laisser un message hein, Moi, je dirais qu'il n'a pas vu ma photo. Sinon, il... allait me chercher. Alors, on va afficher ta photo, euh, donc avec, euh, eh, bien évidemment, euh, avec le président de la République, son Excellence Issoufou Mamadou. Eh, que quelqu'un d'autre peut voir la photo, on ne sait jamais. Et eh, rendre ça public jusqu'à ce qu'on ben, on t'appelle pour donc une photo immortaliser les moments. Oui, peut-être. D'accord. Et donc, du coup, euh, tu as commencé à bas âge, tu fais des dessins, tu te retrouves dans ce que tu fais Ça paye Oui, ça ça paye. Ça paye. bon, je ne le fais pas pour l'argent, je le fais pour, parce que c'est ma passion. Je suis un agent de santé, uh-huh. je suis un infirmier, je travaille comme un infirmier. Mais euh, chaque fois que je pars au travail, dans mes heures libres, je dessine. Je dessine dans mes heures libres. Je le fais c'est parce que. C'est une passion. C'est une passion. Et, nous, on espère que ça va finir par payer. La passion va se transformer en toute chose parce que c'est important. N'est-ce pas, Ahmed Gissa Alors, Ahmed Gissa, est-ce qu'aujourd'hui tu as un appel à l'endroit de toutes ces personnes que tu as dessinées Parce que j'ai vu des hommes influents, j'ai vu des hommes politiques, j'ai vu des stars. J'ai vu, en cas, pas mal en cas, de dessins venant de toi. Est-ce que tu as un message à leur endroit pour qu'on puisse, pour qu'ils puissent t'accompagner, pour qu'ils puissent euh, t'aider Parce qu'on sait déjà que tu as fait et tu fais de ton mieux. C'est important c'est que tu t'adresses à ces personnes parce que c'est tout le monde, c'est tout le monde qui doit t'accompagner. Tu as déjà laissé un premier message sur cette émission et nous, nous sommes en train de rendre visible tes portraits. Alors un message à l'endroit de toutes ces personnes que tu as déjà décidé J'appelle tout le monde à, soutenir la jeunesse, la, jeunesse engagée. Euh, comme moi, par exemple, je fais le travail euh, parce que c'est ma passion. Je peux aller loin dans ce sens. Surtout avec votre soutien, on peut aller loin. On espère bien que le message n'est pas rentré dans l'oreille dissous. Toutes ces personnalités influentes dessinés par l'artiste seront certainement touchés. Tu as dessiné le président Mahamadou Issoufou. Tu as dessiné le premier ministre Birji Rafini, Abouba Albade, Yakoubou Ibrahim. Qui encore euh, La, première, la première, première dame, Amadou honorable euh, Abder, Bazou Mohamed, Mahaman Ousmane. Alors, bientôt le deuxième tour. Nous souhaitons bonne chance aux deux candidats. Que Dieu nous choisisse le meilleur. Contactez l'artiste, mesdames et messieurs, pour l'accompagner parce qu'il fait les choses volontairement. Celui qui prend l'initiative, il dessine. C'était Mustapha Yuba, c'était Bébé Philippe, c'était la machine sur l'émission Tous à la Fada. Hey!